yari na babu akanta kudi ga daga hankalinta ya konta tarbiya adini duta manta ajinta sefa ka daina hakinta da ta na da baci kaman kwalta amma a yanzu ta kyarza fatarta ta zama farra kaman nasara tabar tabar yarinya mai dubara sai da bari sai bari mm, wala il pas de l'argent dans l'Europe. Hein. <laughs> mais je fais ça je... mais les gens crient après je reviens à la maison yari mm. yari Nigérien, nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de l'humour au Niger, la machine d'Ondi reçoit El Polo Loco, le seul Nigérien qui a un nom espagnol. Vous, vous Rappelez certainement Fateh Plangora de El Polo Loco. Le garçon à loué. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim. Il a commencé à en 2002 à Il est né en 1986 à 7h30. Autant de Kunche. Il a commencé par rapper. Vous avez eu tout ça sur l'émission d'hier. Il a dit que Fossi rapora du rap, il a basculé à l'humour. Aujourd'hui, il fait notre fierté. Récemment, il était en one-man show, en stand-up. C'était plein, c'est n'est plus le garçon à lui, il a pris une autre dimension. Aujourd'hui, nous le recevons sur cette émission pour parler de ses projets d'avenir, puisqu'il nous a confirmé hier en fin d'émission que l'humour a de l'avenir au Niger. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, recevons une fois de plus celle pour le loco. <laughs> Pourquoi tu me regardes comme ça Fine, oui. Agar, mais style chacun, à chacun sa folie quand tu es sur la scène, tu fais ton one-man show. Est-ce que ça le Quoi, as bien une cabo, ici. Ah, est-ce que, est-ce que déjà nous nous bien ah, mission bon. Rappeur quoi il faut C'est pas un souci. Ah -huh. Ah. Ouais, ça marche. Ok, to. Ok. Le femme, dit que <laughs> eh, eh. eh, vous avez dit que vous avez dit que vous avez abe kan banu furganda nik te wala domani ga sambu là. ay ay ni dans quoi yega sambini yetase il monte dans ton ah, euh. mais tu vois moi le jour de mon spectacle il y a euh, euh. moi j'ai fait ça ok tu as fait ça j'ai donné ça à un tonton après à la fin il a mis 100 000 dedans <laughs> ah non c'est quoi il quoi ah mais 100 000 francs <laughs> il quoi c'est c'est un autre niveau on oh, laisse un autre niveau dis c'est notre niveau ah, nous pas beaucoup quoi tranquillement même ta démarche a changé il s'assied. parlons de tes débuts dans le rap il nous faut un peu rappeler sur cette émission tu as commencé par avec Yazdi Mewaka. Yazdi. Vous avez pu acheter quelque chose avec Yazdi À l'école, man. Vous avez commencé à faire quoi à l'école Déjà, je sais que tu es trop, malade à Yeah, Écoute le beat et pose-moi quelque chose dessus. Un truc que vous avez commencé à faire avec Yazdi. Ah! À cause du rap, on est blâmé, on est pris pour des ratés. Mais je ne vais jamais les écouter. Je dis que ce sont des AMA comment? <laughs> ok. Fanatique, vous avez reçu quelque chose avec Aradik Yaman. man. C'était quoi, quoi ça Berba, c'est Hey, original. Kayaman, Sayaman, sur le microphone, c'est Aïe. Berba, c'est Hey, quand je suis engagé, nul ou rien ne pourra m'arrêter, boy. Berba, c'est Hey, original. Kayaman, Sayaman, sur le microphone, c'est Boy. <laughs> Waouh, waouh. C'était avec Aradik, hein, Aradik Soldat. Et vous avez donc formé est Même dans son album, on a eu à faire un featuring. Un featuring. C'était quoi Africa United. Africa United. Nyanga Def, I ah, say how do you feel C'est le son de l'Afrique pour tous les fils d'Africa. Jam Iré, il s'est balakal, tourné, wakir machadi. Afrique là-bas, il ma koda guina, c'est Annie Sogma. Fils d'Afrique, faut te réveiller. Il est temps de positiver, nous devons nous aimer. Hey, eh, eh, hey, eh. hey. Ya maman. Rappeur, rappeur, Hanouna, Donko Berry. Ya maman. Moi, je pense que. Tu dois faire les deux là. Il faut revenir. Hein. Oui, présentement même, je combine un peu. Euh, non, le, rap euh, a beaucoup perdu. <laughs> J'ai pas envie de finir mon concert et puis. Nous avons fini tout. <laughs> Après maintenant tu t'es retrouvé en carré sur le dasket. Yeah, dasket Nokoa. Après, bon dans ça même c'était un peu embrouillé parce que un temps là c'était dasket Nokoa. Mhm. Après c'était Maigirma, c'était das facultatif. Toi de moi-même je me recherchais. <laughs> Il y avait rien. <laughs> Ah, du coup le mec il cherche quoi. Il cherche de nos comme Arafat quoi. <laughs> regarde, regarde, le niveau dance facultatif. facultatif. C'est fou. il est facultatif. Ah si vous dites. <laughs> ouais, il est facultatif. Donc, du coup, tu, tu as réuni tout ça. Après, ça n'a pas d'avenir. ça. Il connaît moins effet. <laughs> <laughs> Arrête Ané Mounou. Attends, attends, attends. Il faut que nous s'il te plaît. Mais tous ces flots là. Ah, nous, comédiens, tu sais, si ça marche, tu investis dans la musique, c'est possible. On a vu beaucoup, le, en a vu encore beaucoup d'artistes qui le font. Il faut, tu reviens, s'il te plaît. Sur l'émission, j'exhorte. Hey, eh, vous qui êtes en train de regarder cette émission, amener Dasket à revenir. Parce qu'on a perdu un grand, un grand de la musique, je vous dis. Dasket. Yeah. Ok, c'est ton choix. Mais j'espère qu'un jour tu vas revenir. On va déconstruire l'émission archivée. archiver. <laughs> peut-être que l'histoire me donnera raison. Un jour, tu vas finir par revenir. Euh, non, j'ai composé, j'ai composé Non, c'est pas composer ça, c'est pas composer le truc. C'est que j'ai enregistré. Que tu, tu vois, ça marche. Donc, du coup, euh, peut-être qu'un jour, tu vas faire sortir ces tubes. Dasket. Yaman. Yeah, Parlons de l'humour. Le stand-up. Parlons du stand-up. Parlons du one-man show. Parlons de ton domaine. Le domaine dans lequel tu exerces présentement. Qu'est-ce que tu as eu à faire ça, a commencé par DKM. Ça a commencé par DKM. Donc là-bas, tu es comédien. J'étais comédien. D'accord. Euh, on faisait des petits sketchs pour euh, <laughs> amuser la galerie ah avec, euh, avec Bad, mhm. qui est mon cousin. après, on a dit, bon, on va faire un projet. Et le projet, c'était parti pour sa raconte avec Habib donc ça raconte c'était vraiment pour moi le déclic. Mhm. J'ai joué le rôle de Ismaël, le petit diplômé qui tard euh, tarde à du boulot, le petit baby boy, tu vois un peu, euh, le petit amoureux de Sarah. Voilà. Et ça raconte m'a vraiment aidé, ça, ça, a propulsé. Donc euh, après, avance, Big Up à Habib et toute l'équipe, la monnaie, la monnaie. Bad, voilà. tout le monde. Toute la clique. Hein. Voilà, c'est avec vous que ça a commencé les gars. Mhm. Ensuite, avant ça, j'avais omis de le dire, j'ai joué dans la la série Niamey qui est passée sur A+. Là. Niamey, une série quand même qui a cartonné. J'ai joué le rôle de Idriss dedans, j'étais le chef de banque tu vois. en tant qu'acteur. Voilà, en, tant en tant qu'acteur, Donc là, là, là, là, présentement, là, là, là, là, son, son, son, son, son, stand up, Parlons de ce que déjà tu as eu à faire dans le stand-up. Parlons de Haraka Comedy Club et parlons aussi, euh, parlons de, de, de ton one-man show que tu as fait. C'était la première, hein? c'était, la, la, première édition. C'était, le, premier, le premier show. Le premier one-man show. Le premier one-man show. D'accord. Alors, Haraka euh, Comedy Club, c'est, ma boîte. Euh, c'est, comme j'ai eu à le dire, c'est grâce à Haraka que je suis devenu l'humoriste que je suis. Si c'était dans le moment de la talent, c'est mon label. <laughs> c'est mon label. la, belle la belle. La belle, la belle. Ouais, bon. c'est ton club, c'est ton club. voilà, Haraka Comedy club, c'est mon club, c'est gars. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment euh, Ahmed et Alain qui ils étaient, ils étaient, ils étaient ceux qui m'ont mis devant la scène. C'est eux qui m'ont donné cette opportunité de monter sur scène. C'était le 3 février, je me rappelle très bien, à la MJC, ils ont un événement qui s'appelle Niamey Effervescence. Je ne peux jamais oublier. Moi, j'étais même au Nigeria, les gars m'ont fait venir. Euh, parce que moi-même, j'étais amoureux de la chose, je voulais faire du stand-up. Alors, c'était parti de là. J'avais fait un sketch que je voudrais prendre la revanche sur ce sketch-là. Ah. <laughs> Ah, parce que quand j'ai fais, les gens n'ont pas trop ri. <laughs> et donc, le sketch-là, je vais réécrire et venir faire ça et prendre ma revanche. Alors, après, depuis lors, euh, depuis trois ans, bientôt trois ans, on joue chaque mois, non-stop, Kalme considère que nous sommes à Arca Comedy Yama Alors, est-ce que tu peux nous faire rire en une minute sur cette <laughs> émission Parce que l'objectif en question du deuxième angle, c'est de parler aussi de tes contenus. Ah bah, de tout ce que tu as dans le bidon là. <laughs> Fais ressortir ça. Euh. <laughs> ton bidon là. Avant, tu n'avais pas ça. Quand tu étais dans le rap, c'était. Bon, ça, en fait, il faut que les gens comprennent que ça là, déjà, c'est pas, c'est pas, c'est pas bidon. On appelle ça un abdominal. Euh, il est concentré devant, ça représente la force de frappe, la puissance et l'efficacité. Alors, je vais te donner un conseil si tu veux avoir ce genre d'abdominal. Ok, le bidon, bidon. abdominal. <laughs> abdominal, il faut que tu manges beaucoup. Ok. N'importe quoi. On peut voir ça, on peut voir ça euh, en direct sur l'émission. <laughs> <laughs> Euh, euh, J'étais au Burkina. J'étais au Burkina euh, sur, un festival là, euh, d'accord Moi, j'étais assis dans, un petit maquis et j'entends Barakina, Barakina, Barakina, Barakina, Barakina. Ok. J'ai dit, <laughs> yeah. il, est, connu, Barakina. Hein? J'attendais de voir la star Barakina. <laughs> Après, on amène une bière. J'ai dit, yeah. Donc, nous, le gars là-bas, c'est une star. Ici, on le boit. C'est notre star, aussi. Ah, notre star <laughs> ok, d'accord. Et, donc, en dehors de ça, euh, de, stand-up, oh, tu as présenté. Non, euh, euh, on va parler de, de Radisson. Qu'est-ce que je raconte On va parler de Radisson. Uh-huh. On sait que tu as fait un, show là-bas. Uh-huh. Garçon à louer, c'était le concept. Parlons un peu de, Garçon à louer. Parce que ça t'a fait aussi, ça t'a donné. Oui, Garçon à louer. Au, début, quand, quand j'ai dit à Ahmed, mon spectacle va s'appeler Garçon à louer, il a dit Ouais, Là, tu as réfléchi. <laughs> tu sais, Ahmed de moi, c'est que quand je dis les choses, ah. il faut qu'il voient. Bien sûr, bien sûr. <laughs> tu vois un peu. Donc, j'ai dit garçon à louer. Donc, quand on a dit garçon à louer, on a fait la première publication. Les gens ont commencé à appeler garçon à louer. On le loue pourquoi on a dit louer seulement. <laughs> louer seulement Oui, parce que c'était un concept. Les gens, pour eux, c'est, je m'excuse, c'est de la perversité. C'est un garçon, tu, vois les femmes, un garçon que tu loues, tu amènes à l'hôtel, tu oh, amènes oh, oh, des trucs. Bien Non, s'il vous plaît, c'est un concept. C'est l'imagination d'un humoriste qui est comme ça. <laughs> garçon à louer, c'est un concept. Tu peux me louer, je peux chez toi, je te fais la vaisselle au calme. Tu peux me louer pour que moi je vienne te faire rire. Ah, mais, mais c'était pas ça, au fait, c'est que tu <laughs> en tout cas, à ah, ne te fous pas de moi. En tout cas, même maintenant. Non, non, non, non, ne joue pas <laughs> avec moi. Mais non, non, non, non c'est vraiment ça. Une femme m'a appelé, elle dit Attends, toi, la garçon à louer, c'est quoi le truc J'ai <laughs> dit Tanti, <laughs> voilà, là Ça là, c'est un concept. Il n'y a rien de rien. Ah ouais, tu as même eu des, tu as eu des coups de fil. Non, mais beaucoup, Ahmed même reçoit. Déjà, ta corpulence là, je sais que tu es bien armé. On s'en va te voir là. En tout cas, Dieu ne peut pas être contre moi partout. <laughs> il ne peut pas me faire pauvre partout. <laughs> il ne peut pas être riche quelque part. Ah ouais, ah, en tout cas, je suis pauvre partout, mais là-bas, je suis riche. <laughs> Ça, là, c'est eh, eh, eh, bon. franchement je me retrouve. Merci hein. de m'avoir donné le rire parce que le sourire aux lèvres, parce que le rire ça guérit. tu vois, j'étais un peu stressé quand tu étais venu, mais là je suis guéri. Le rire est thérapeutique. thérapeutique, ouais, je sais, ça c'est votre. Je pense que hein. à, l'hôpital, on doit écrire aux gens euh, Comedy Club ordonnance. ne vais <laughs> pas me bouger mon temps d'entraînement. Ok, super. That's super. That's Bon, tu ah, n'as pas le nom. C'est celui-là qui n'avait pas. <laughs> Qui n'avait pas dosé. Voilà. Qui n'a jamais gagné ses 4 000 Jamais, jamais. <laughs> bon, écoute nous sommes pratiquement la On va parler de tes projets. Alors, euh, présentement même, euh, je suis sur un projet euh, de créer une émission. Une émission Oui, une émission qui va être une émission carrément drôle qui s'appelle le Loco TV. Le Loco TV Loco TV, où on va prendre les humoristes, que les humoristes et tout celui qui peut être drôle. Mhm. Parce que l'objectif, c'est euh, que ça soit drôle. Tout ce qui va passer sur l'émission va être drôle. Quand Quand c'est pas drôle, on n'accepte pas. On va faire des débats, on va débattre de tout et de rien. Donc même moi, je peux être dedans. Bien sûr. Eh, Toi, tu ah, vas ah, même être le modérateur. Moi, je te vois comme modérateur. <laughs> yes, El le Loco. Nous sommes à la fin. Eh, L'instinct sur l'honneur, tu mets du sérieux. Ok. Euh, on t'accorde une minute de temps d'antenne. L'artiste s'exprime, c'est la dernière partie de l'émission. Et les jeunes, ils attendent tu vas te donner une visibilité. Si tu as une page Facebook, tu, tu veux ceci ou cela, tu as l'occasion, on te donne un plateau en or. Mais ça, El le Loco, mesdames et messieurs, va donc s'exprimer tout de suite et maintenant sur tous à la Fada. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and les rastamans, les chauves, euh, <laughs> tous qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, euh, ma page c'est El Polo Loco officiel. Allez-y vous abonner. Instagram El Polo Loco, euh, TikTok El Polo Loco, eh, Snapchat El Polo Loco. Abonnez-vous bientôt. Je vous promets qu'on va faire des trucs très merveilleux. Vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire. Abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai 3000 abonnés. J'espère que à la sortie de cette émission, quand l'émission sera diffusée, j'aurai 10 000 abonnés. Et c'est ça l'objectif. Cherche 300 000. 3, 300 000 abonnés. Pour 300 ceux qui regardent cette émission, il a 3 000 abonnés. On espère qu'une semaine après la diffusion de cette émission, il sera à 300 000. C'est ça un peu aussi notre truc. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous cherchons. La balle est dans votre camp. Alors, cri de cœur d'un humoriste, cri de cœur d'un humoriste, s'il vous plaît haya jamaa on est dans mai non ding Aïe oh ai ni non se Ouais! Eh, eh, eh, Machine. eh, eh, eh, devant Dieu, devant les hommes. tu as, 500. Ouais! musique. Il n'y a, pas de la musique. Aïta Maïkanga Ghana, de façon officielle, Aïdi Noël pour le locos. Quoi, jeune, tamu jeune. Machine, talk Kit. Hey.